the forum is Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Kwartagi FM 80 90.9 MHz et Challenge FM 87.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangu s'intéresse à la chasse au Niger, les zones, les espèces et les procédures. Cette thématique essentiellement pédagogique vise à informer le grand public sur comment est organisé le secteur à travers des réponses adéquates sur les zones et périodes de chasse au Niger, les espèces chassées légalement ou illégalement et les différents types de chasse les procédures pour chasser et les armes et ou équipements autorisés, les données disponibles par zone de chasse, quantité de gibier par région, impact sur la faune, le tourisme, les difficultés dans le secteur et les réformes existantes ou à venir. Avec nous pour développer ce sujet, colonel Soumeila Sahelou, directeur de la faune, de la chasse, les parcs et réserves au ministère de l'Environnement colonel Soumaïl Sahelou, euh, Bonsoir. Bonsoir. Colonel Adamou Tounaou Mohamed Lawali, chef de division chasse au ministère de l'Environnement. Euh, colonel Adamou Tounaou Mohamed Lawali, bonsoir. En ligne, nous avons Soumaïla Marfandou, directeur régional du tourisme de Tilaberi. Euh, bonsoir. Bonjour. Avec nous également Abdelaziz Taya, secrétaire général de l'association des chasseurs et guides de chasse au Niger. Euh, Abdelaziz Taya, euh, bonsoir. Bonsoir. chasse et tout acte consistant soit à rechercher, poursuivre, viser, piéger, capturer, blesser ou tuer un animal sauvage vivant dans un état de liberté, soit en récolter ou détruire les œufs. Au Niger, la chasse procure à l'État des ressources directes liées à la vente des différents permis de petite, moyenne et grande chasse, le permis de capture commerciale et le permis scientifique. Comme ressources directes, on note aussi les taxes d'abattage. D'autres ressources peuvent également provenir des différentes patentes, au nombre desquelles la licence de guide de chasse qui coûte 500 000 francs CFA, la patente des concessionnaires détenteurs de zones qui fait 1 500 000 francs CFA par an. À cela s'ajoutent les taxes qui concernent les personnes qui veulent vendre de la viande sauvage. La chasse procure également des ressources indirecte à l'État constituée de recettes euh, tirées du séjour euh, des étrangers dans les hôtels. Elle est une activité qui permet de développer le tourisme, l'hôtellerie, le commerce et l'artisanat. Elle permet également de créer des emplois au niveau local parce que les concessionnaires sont tenus de recruter les populations locales pour euh, les activités de guidage et de pisteurs. Colonel Soumel Sahelou, quels sont les obstacles ou encore les euh, du Niger en matière de chasse La chasse est une activité, effectivement, comme vous l'avez bien précisé, lucrative qui régénère des ressources financières au profit de l'État du Niger, des populations locales, du trésor public pour justement aménager certains sites dédiés à la chasse et autres sites potentiels. Vous l'avez bien précisé, la chasse est organisée effectivement au Niger et c'est la loi 98 07 du 29 avril 98 qui détermine les conditions de la chasse. Vous l'avez bien dit, au Niger, on a un certain nombre de sites potentiels qui sont à peu près 23, dont 8 seulement sont opérationnels où on a concédé pour la chasse. Et au niveau de ces 8 zones, mon collègue va vous donner la précision. Et du coup, et vous l'avez bien précisé, il y a des concessionnaires qui sont désignés par l'État, qui ont cette concession. Normalement, c'est concession doit avoir un guide de chasse. Un guide de chasse, c'est lui qui organise les expéditions de chasse. Pour donner un exemple, quand vous, Mokhtar, vous avez une journée de chasse, vous devrez affaire à un guide de chasse qui organise les expéditions de chasse. Ça veut dire quoi Si vous avez accueilli des chasseurs, ils ont déjà ciblé votre site et c'est le guide de chasse, votre guide de chasse qui organise. Il a l'expérience et il a été désigné, il a été d'ailleurs, pour vous rappeler, un guide de chasse, c'est l'État du Niger, c'est le ministère en charge des aires protégées qui le nomme sur la base des critères bien définis on le recrute et sur la base des critères, on le note et on le choisit. Le concessionnaire également, c'est à travers un appel d'offres. On fait un appel d'offres, on définit les critères. Le ministère de l'Environnement forme un comité qui décide l'octroi des zones de chasse. Colonel Soumel Sahelou, est-ce que le Niger est d'abord un pays de chasse le Niger est un pays de chasse parce que la loi, nous avons une loi qui détermine les conditions de la chasse. Nous avons à un certain moment effectivement commencé à, chasser. À un certain moment, effectivement, on a ouvert en 1998. et nous avons la loi qui le définit. Mais il faut le préciser, hein, la chasse aussi bien au nord dédié par rapport à certaines espèces, par rapport à certaines espèces de faune, notamment les outères, les espèces, les gazelles et, autres espèces. Ça, c'est au nord. Depuis qu'on a commencé, c'est les princes qui viennent vers le nord. Mais il y a les chasses, la chasse dans les zones banales, où c'est les nationaux. Et ça, ça régénère peu de ressources parce que on devrait aussi aller dans le sens de la grande chasse, contiguë au parc W comme ce qui se passe au Bénin, au Burkina Faso, où le Burkina, Faso a à peu près 11 zones de chasse et c'est la grande tâche. Ça régénère beaucoup de ressources, plus de 800 millions. Au Niger, nous n'avons pas ces, zones de chasse. On a un parc qui a des potentiels assez énormes et souvent, le trop-plein là qui vient vers le, de la réserve de Tamou de Dosso, c'est contigu, on doit créer des zones de chasse et permettre aux Nigériens de faire de la chasse sportive. C'est quoi la chasse sportive La chasse sportive, c'est une chasse qui a le principe d'avoir le plaisir. Quand il faut aller chasser, c'est d'avoir le, principe, l'éthique de la chasse. Il faut avoir ce principe d'aller chasser, c'est pas aller faire un carnage. Un chasseur, il remplit les conditions, il va, il fait la chasse pour un besoin de plaisir. Il prend une espèce, un francolin par exemple, deux à trois francolins. C'est pas aller remplir un sac. Parce que j'ai mon permis pour une période de trois mois ou 4-5 mois, il faut aller faire le canage rempli, le sac revenir une semaine après. Non, non. Colonel euh, Adamou Tounaou Mamalawali, comment réglementer la chasse au Niger Par rapport à la réglementation, donc il y a des règles qui sont là, donc, euh, qui sont définies par euh, la loi 90-07 du régime de la chasse. Donc il faut d'abord être adulte, c'est-à-dire avoir l'âge donc, de chasser. Il faut se doter aussi du permis de chasse donc il faut avoir un permis de chasse. Comme... Est-ce que le permis de chasse là est accessible euh, aux citoyens moins Oui, il est accessible à tout le monde. Sauf vraiment quand vous, êtes, quand vous avez l'âge de il est accessible à tout le monde. Donc euh, là où vous allez, pouvez aller le chercher. Donc, et ce permis de chasse-là, il est obtenu donc, euh, de façon onéreuse, donc c'est-à-dire euh, vous payez pour avoir ça. Donc, maintenant, quand vous avez le permis de chasse, donc, et vous allez définir là où vous allez aller pour chasser. Il y a un quota qui, est permis, donc sur le permis, il y a un quota que vous pouvez aller prélever. Et ah. à chaque fois que vous revenez, vous devrez déclarer donc, le nombre de battus donc, et payer la redevance donc, taxe dabattage Colonel Adamou Tinaou Mamal Lawali, quelles sont les normes à respecter C'est d'abord les moyens de chasse. Si vous avez votre permis, donc il faut déclarer donc, euh, le, moyen, le moyen de chasse, c'est-à-dire l'arme que vous devrez avoir en position pour aller chasser. Et cette arme-là, elle est acquise donc euh, moyennant un permis de port d'armes, qui est délivré donc euh, par le ministère de l'Intérieur. Colonel euh, Soumaïla Sahelou. quelle est la différence entre la petite chasse, la chasse moyenne et la grande chasse je voulais, avec votre permission, euh, euh, revenir sur les conditions. Il a bien précisé, un, il faut être majeur. Deux, il faut avoir le permis qui doit être délivré par les agents en charge du ministère de l'Environnement. Il faut aussi avoir le permis, c'est le préalable, permis d'armes. Donc être majeur, avoir le permis de port d'armes, s'acquitter du permis de chasse. Donc pour revenir à ta question, le permis de petite chasse, là, c'est dédié aux oiseaux qu'on appelle catégorie A. Les oiseaux que vous voyez ici, les francolins, les canards, les dandossins, les sarcelles, les gangas. La moyenne chasse, permis B, c'est pour la petite, les gazelles, les fracochères. C'est principalement ça, les espèces qu'on a. Et, et la grande chasse, c'est surtout les grands mammifères. Et pour ça, pour le moment, au Niger, on ne, pratique pas ça. C'est ce que je viens de dire, la chasse sportive qu'on doit eh, ouvrir. Nous avons en perspective vraiment de penser à ouvrir la grande chasse dans les zones tampons les aires protégées. Voilà ce que je voulais ajouter. Ablaziz quelles sont les causes de la dégradation du secteur de la chasse au Niger Comme vient de le dire le représentant de l'administration de la faune, après avoir rempli certaines conditionnalités pour avoir l'autorisation ou pour pouvoir être autorisé à pratiquer la chasse. Avant de répondre à votre question, et je reviens par rapport à la chasse. La chasse, une chasse, elle est sportive. Quelle qu'en soit la pratique, que vous partez faire de la volaille ou les mammifères, c'est sportif. C'est ça le plaisir de la chasse. Et donc, je reviens à votre question. Les difficultés, que nous rencontrons au niveau de la pratique de la chasse au Niger, surtout au Niger, c'est le problème de l'application des textes. Donc, selon vous, il y a certains qui ne respectent pas les textes ça, je l'ai maintes fois dit, et j'ai maintes fois interpellé l'administration par rapport à un certain manquement au non-respect de certaines valeurs. Parce que je l'ai dit au cours d'une rencontre dans des pays voisins, on a échangé, j'ai dit au Niger, la chasse est menacée pas par les chasseurs, mais plutôt par le braconnage administratif. Parce que quand je dis braconnage administratif, nous savons comment elle est organisée, ce braconnage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple du Niger, ce n'est pas comme l'exemple du Burkina, du Bénin ou d'autres pays. Le colonel euh, Soumel Sahilou l'a rappelé. Oui. Là-bas, comme je l'ai dit ici, vous savez, depuis un certain temps, il y a des conditions à remplir. Et ces conditions, ce n'est pas tout le monde qui les remplisse. Et quand je parle du braconnage administratif, il y a des gens qui se cachent derrière l'administration étant des agents de l'administration, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'administration de la faune qui est seulement cette mission d'aller protéger la faune ou l'environnement. Nous tous, que vous soyez FDS, que vous soyez un citoyen lambda, nous sommes tous appelés à protéger la faune et l'environnement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la chasse au Niger, la faune est menacée par le brokerage administratif, pas par les, simples chasseurs qu'on peut même compter au nombre du bout du doigt. Il y a combien de chasseurs au Niger On peut les compter. Donc vous voyez, les difficultés qu'on a, c'est au niveau de la mise en application ou l'application des textes nos amis qui, sont de l'environnement le savent, eux-mêmes, ils ont toutes ces difficultés pour pouvoir vraiment eh, interpeller ou appréhender ou mettre en application ce que disent les textes. Parce qu'il y a toujours quelque part quelqu'un qui peut vous faire de l'intervention, ou bien quelqu'un va prévaloir de son titre dans l'administration, je suis ceci, je et tout ça, c'est ça qui, freine vraiment l'application des textes concernant la chasse au Niger. Ablazistaya, comment faire pour redynamiser ce secteur euh, vital pour l'économie nigérienne Bon, maintenant pour parler de comment faire, comment faire, comment faire, et, comment faire, parce qu'aujourd'hui, eh, vous prenez de 98 à aujourd'hui, 2018, ça fait 20 ans qu'on a ce texte. On doit venir, et je le dis, et je lance cet appel au niveau de l'administration, il faut qu'on organise. Le secteur le, secteur est déjà organisé à travers les textes. Maintenant, il faut organiser un forum ou bien un atelier d'échange pour voir les lacunes, les difficultés dans la mise en application de ces textes. Parce que, comme je l'ai dit, au Niger, nous avons les textes, nous avons tout ce qu'il nous faut pour organiser le secteur. Mais dans la pratique, il y a des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le code rural, la loi sur euh, l'aménagement du territoire, euh, les trucs collectivités, il y a certains chevauchements des textes qui ne permettent pas l'application des textes sur la chasse. Colonel euh, Soumela Sahelou, quelles sont les localités concernées par votre domaine d'activité, la chasse les localités, c'est quand même un certain nombre de régions, un certain nombre de départements. Comme je le disais tantôt, il y a, 23 zones de chasse, dont 8 sont opérationnelles. Mon collègue et là où il va vous présenter l'ensemble de ces sites. Moi, je voulais quand même insister sur les difficultés, comme l'a évoqué mon collègue. Oh, allez-y. Et les difficultés, il a bien dit, c'est l'application des textes. Mais aussi, à notre niveau, on devrait renforcer les dispositifs de contrôle. Vous savez, avant d'ouvrir une chasse, il y a le ministre en charge des aires protégées qui signe un arrêté. Et cet arrêté, conformément à la loi qui régisse le régime de la chasse, détermine les périodes de la chasse, que ce soit la petite et la grande chasse. Et la moindre chasse, c'est de décembre à mars. Et la petite chasse, c'est de décembre à mai. Après l'ouverture de, cette période, la chasse est ouverte. Après la fermeture, aucun chasseur ne doit pas chasser. Ça, c'est interdit. Et dès les interdictions, vous ne pouvez pas, non seulement en période de fermeture, aller chasser, mais aussi, même si c'est en période de chasse, vous ne pouvez pas aller poursuivre un animal sur un engin ou mettre un appât empoisonné, aller chasser. Vous ne pouvez pas aller chasser dans une aire protégée comme le parc. Vous ne pouvez pas aller chasser dans une aire protégée comme Tamou. Et c'est ce que les gens font. Les gens trichent. Quand tu prends quelqu'un dans une aire protégée qui chasse, dans une aire protégée où il est interdit, il est amendé, il peut même être emprisonné parce qu'il rentre dans une aire protégée, peut-être même avec une arme légalement détenue. et il peut être en prison, il peut être amendé de 50 à 500 000 voire 3 millions. Ça dépend de l'infraction. Et du coup, on a ces cas où les gens, quand même, qui sont sensibilisés, qui ont quand des intellectuels qui organisent aux, environs des aires protégées ou dans les zones tampons des chasseurs. Et pour dire que, j'insiste, hein, empoisonné avec des appâts, avec des véhicules, des engins, avec des phares la nuit. Tout c'est interdit. Comme il a bien précisé, c'est la chasse sportive. Il faut avoir les principes, il faut avoir l'harmonie. Et, c'est que malheureusement, nous avons des chasseurs qui ne voient pas, en fait, c'est une ressource, la faune, c'est une ressource. C'est vrai, c'est renouvelable, mais du coup, quand vous abusez, aujourd'hui, je vais vous dire, on a 12 zones humides reconnu au plan international au Niger. Euh, ça fait 10 ans, on a des milliers d'oiseaux. Si je prends l'exemple de Namga Kokourou, on a des milliers d'oiseaux. Vous faites allusion au site Ramsar. Des sites Ramsar. Namugako Korile, moi, Niger 1, 2, Albarquez. Aujourd'hui, Albarquez, c'est si sa vie, il y a des milliers d'oiseaux migrateurs et afro-tropiques. C'est parce que les populations ont pris des mesures conséquentes. Et même quand lui, en tant que mon collègue aujourd'hui, il, prend, il va aller chasser les populations, disent non. Et comme il dit les difficultés, c'est ça le problème. C'est qu'en tant que Nigérien, j'ai l'amour des ressources que j'ai. Même si j'ai mon permis, il faut que je respecte. Je l'éthique de la chasse. Et du coup, pour préserver les générations. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour les générations futures. Si nous abusons, les gens ne vont pas voir la grille couronnée. Colonel euh, Adamou Tunaou quelles sont vos relations avec euh, les chasseurs et les guides de chasseurs Avant de, répondre, euh, je vais un peu étoffer la question par rapport aux zones de chasse. Donc, euh, comme euh, Monsieur M. le directeur a dit, il y a 23 zones de chasse, c'est-à-dire des zones euh, synergétiques là où donc, la chasse peut être orientée. Mais ils sont répartis aussi sur l'ensemble du territoire national. Mais actuellement, il n'y a que 8 qui sont donc à peu près actifs. actifs pardon. Donc, et on les retrouve à Zender, dans la zone du Tanout. Il y a deux, donc il y a Talaras, il y a Farak donc au niveau de, de Adarbi Sanat, il y a aussi deux Gadafawa dans la zone. Donc il y a aussi à Ingal, donc il y a une zone de chasse donc à côté d'Ingal, et à Tawa. Donc voilà là où ceux qui sont actifs là. Donc euh, maintenant et notre relation avec les chasseurs, et les, guides, de chasse. Donc euh, et là aussi je, je reviens sur ce que euh, M. le directeur a dit. Donc pour euh, être guide de chasse ou bien euh, être un chasseur, donc le chasseur là, donc je vous ai donné la réponse par rapport à être un chasseur, donc il faut être major là, avoir un permis de chasse et respecter aussi donc euh, l'arme que, vous, utilisez. Maintenant notre relation avec les guides, donc il y a la loi, la loi vraiment elle, elle définit ce qu'est qu'est-ce qu'un guide. Donc un guide donc il doit avoir une licence, il doit être vraiment quelqu'un presque intellectuel et qui est soumis donc euh, à, un test avant d'avoir cette licence-là. Et il doit aussi acquitter des taxes. Euh, cette licence-là, est-ce que c'est le ministère de l'Environnement qui délivre Oui, euh, oui c'est un comité donc, arrêté par, le ministère de l'Environnement donc, et qui est là pour examiner, donc, pour un peu faire le test donc, pour, que la licence soit donnée à, un guide de chasse. Et à chaque fois que la chasse-là est ouverte, donc les concessionnaires c'est-à-dire ceux dont ces zones de chasse-là donc, ont été concédées, donc euh, qu'ils organisent donc, des, expéditions de chasse. Ils viennent donc, et euh, s'acquittent. Donc, chaque guide qu'ils sont avec, ils sont avec donc, euh, le payent cette taxe-là. parce que vous l'avez rappelé que c'est une somme de 500 000 pour, par an pour chaque guide. Donc voilà. Soumaïla Marfandou, quelles sont concrètement vos difficultés en matière de chasse à Tilaberi Par rapport aux, difficultés, que je peux dire, moi, c'est que m'intéresse particulièrement à la chasse, c'est l'aspect tourisme synergétique qui m'intéresse. Le tourisme synergétique, c'est des chasseurs jeunes qui viennent d'ailleurs, qui prennent euh, leur permis, ils prennent un guide, ils viennent au Niger, ils, ils voient un concessionnaire, ils payent les taxes, ils vont, ils vont avec les guides et ce qui a été autorisé, ils chassent ce qui a été autorisé, ils reviennent, ils présentent des produits de leur chasse aux forestiers. Et voilà. Et il y a des retombées importantes par rapport à cet aspect. Maintenant, ce qu'on observe dans la zone de Tilaberi, je connais une zone, quand même la zone d'Aïrou et vers Inates que je connais bien. Je dis que la pratique de la chasse et parfois mal encadré. Pourquoi Parce que généralement, il y a des gens qui viennent nuitamment. ils vont à la chasse, ils détruisent euh, la faune. C'est même pas eux, nous ne pouvons pas les appeler des chasseurs. Je les considère comme des, braconniers. Or, c'est la chasse a besoin d'un encadrement pour qu'il y ait des retombées pour le pays. C'est pourquoi d'ailleurs il y a eu cette loi et son décret d'application. Donc, euh, voilà ce que je, peux dire pour un jeudi. Moi, je pense que le, la chasse a besoin vraiment d'encadrement. On a ouvert la chasse, pourquoi Parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de braconnage. Donc, c'est pour stopper ce braconnage qu'on avait ouvert cette chasse-là, pour que les gens se régularisent par rapport à, la chasse. Et généralement, au Niger, ce qu'on considère, ce qu'on constate, c'est que, contrairement au, au tourisme synergétique dont je parle, donc donc la pratique, c'est pour uniquement le plaisir de chasser que les gens viennent. Ils vont le, c'est même pas la viande qui les intéresse, c'est généralement les trophées qui les intéressent. Or au Niger, euh, actuellement, on a, on remarque par-ci par-là. Vous remarquez dans la zone de Kolo, dans la zone d'Ayo Inates, tout ça là, c'est, il y a un problème d'encadrement par rapport à cette chasse là. Or, pour que ça soit rentable, pour que ça soit intéressant, il faudrait que ça soit encadré. Et c'est ce qui manque beaucoup. J'ai écouté un peu le guide touristique qui est en train de, parler. Il a raison pour qu'on fasse, parce que c'est depuis 1998 que la chasse a été ouverte, il faudrait qu'on fasse une évaluation quand même à travers un atelier comme il l'a proposé pour voir exactement les, les retombées eh, de cette chasse-là du point de vue économique, du point de vue de l'emploi, tout ça, pour voir euh, eh, la situation exacte. Voilà ce que je peux dire pour un début. Soumaïla Morfandou, nous assistons à une rareté euh, du gibier et de la faune sauvage. Vous l'avez rappelé tout de suite. Est-ce que cela est une source d'inquiétude pour euh, les chasseurs et même pour l'administration nigérienne C'est une grande inquiétude. Parce que vous savez, au Niger, je peux vous donner des exemples. J'ai lu un peu le livre de Harry Bart qui avait visité le Niger en 1850 et lorsqu'il il était arrivé au Niger dans la zone d'Agadez, il avait quitté Tintoulouse pour venir à Agadez. Il disait que sa caravane a été attaquée par des lions. Ça veut dire que des lions existaient, même dans la région d'Agadez, par le passé. Mais aujourd'hui, nous ne trouverons pas cette espèce, on le trouve que dans, la, dans le parc du W. Dans le parc du W. Il y avait beaucoup d'espèces. La girafe, par exemple, avait existé aussi dans la région d'Agadez. Quelqu'un avait parlé, le colonel avait parlé de l'avion de chasse d'Aderbisinet. La girafe a existé. Quelqu'un me parlait des années 59. Il me disait que la girafe existait dans la zone d'Agadez, notamment dans le département d'Aderbisinet. L'orix existait aussi dans cette zone. Quelqu'un me disait qu'il l'avait observé pour la dernière fois en 1961. L'ADEX existait aussi dans la zone d'Agadez, bien qu'il y a des petits groupes au niveau de, de Termite et dans la région euh, d'Agadem. Maintenant, la dette, ça a presque disparu. Euh, L'Autriche, à rouge a complètement disparu. C'est une espèce éteinte aujourd'hui au Niger. Donc, je pense qu'il y a vraiment une menace. Le, deux périodes de rébellion dans la région d'Agadez ont causé beaucoup de, de torts à l'espèce phonique. Euh, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu dans cette zone-là. Maintenant, le seul, la seule euh, zone où on a en tout cas un, potentiel important, c'est la zone du, parc du W, où on peut presque trouver, on peut trouver presque toutes les espèces. Le Niger compte en ce moment quelques 130 espèces de mammifères, 516 espèces d'oiseaux et 150 espèces de reptiles amphibiens, persistants. On rappelle que la chasse a connu une fermeture complète qui a duré 25 ans, de 1973 à 1978. Colonel euh, Soumel Sahilou, vous l'avez rappelé. Cette situation a malheureusement favorisé le braconnage qui a porté un coup vers à la faune sauvage, entraînant du coup une réduction euh, des effectifs. Une loi a été adoptée en 1998 qui fixe le régime de la chasse, colonel Tenaou euh, Lawali l'a rappelé, et la protection de la faune sauvage. Cette loi euh, aussi a permis beaucoup d'avancées en matière de gestion et de la valorisation de la ressource pour réprimer le braconnage et assurer la surveillance des mouvements de chasse à l'intérieur du pays, l'État a créé une brigade territoriale de la protection de la nature. Cette brigade a mis en place partout dans le pays des comités de vigilance afin d'amener tout le monde à respecter la loi. Euh, colonel euh, Somel Sahelou, le Niger, un pays de chasse, vous l'avez rappelé, est-ce que le braconnage n'est pas un coup dur pour le secteur eh, merci Mokhtar et merci d'aborder cette question aussi importante qui est le grand braconnage. n'est pas au Niger seulement le grand braconnage, c'est la sous-région. Hein. Euh, au Burkina comme au Bénin, nous avons tellement discuté de cette problématique. Nous avons aujourd'hui des grands braconniers qui descendent dans le complexe W pour chasser les éléphants, les buffles, et avec des moyens et sophistiqués, avec des armes de guerre c'est une situation que nous avons vécue et nous sommes conscients. Et par rapport à ça, je vous dis que nous sommes en train de prendre des dispositions. Non seulement, vous savez, les aides protégées, nous avons quand même un problème sérieux, le manque de ressources financières pour équiper nos éléments de surveillance en moins matériel. et, ça, nous sommes là-dessus. Le ministère de l'Environnement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour chercher un mécanisme de financement durable à travers la Fondation ouest-africaine où nous, sommes en train d'adhérer le Burkina et le Niger pour vraiment euh, mobiliser les ressources. Et, maintenant, par rapport à l'autre aspect, il ne faut pas perdre de vue tous ces acteurs qui sont là. les réseaux d'informateurs locaux, les populations qui sont aux environs, il faut les mettre à profit. Nous, c'est des acteurs importants et un réseau d'informateurs locaux, nous avons l'exemple de girafes qu'on a mis en place et qui veille à la sauvegarde des girafes. C'est important pour les aires protégées aussi. Et nous avons, avec le contexte de sécurité, eh, impliqué les défenses de sécurité. Comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, il y a, une patrouille mixte au niveau du, complexe WAP de W qui sont en train de, sillonner de la zone, aussi bien pour les autres aspects de la surveillance que d'autres, les trafiquants et autres, les jardins bref, pour vous dire que le ministère de l'Environnement, justement, je suis très content que mon collègue Soumaïla aborde certaines questions et, d'abus. On est, on, est, on est conscient. Je voulais simplement vous rassurer. Nous sommes tous conscients. Quand on fait une analyse logique, on voit effectivement, nous sommes en train de faire de certains espèces, c'est lié à un beaucoup de facteurs. Aussi bien le braconnage, la transhumance, et tous ces aspects de, sécurité qui a engendré beaucoup de répercussions sur la survie de notre faune. Et du coup, aujourd'hui aussi, il faut constater que nous sommes en train de, prendre des discussions, notamment par rapport à la sauvegarde de certaines espèces sahélo-sahéliennes comme les ADAX au niveau du Nord thermique, où on met en place un système de surveillance impliquant les communautés, et, aussi bien à El Ténéré que la réserve de Gadebej. Maintenant, pour le grand braconnage, on est en train, euh, Déjà, on a des partenaires qui s'annoncent. Du coup, vous savez, quand vous n'avez pas euh, les moyens conséquents, euh, à un certain moment, nous avons fait un grand programme pour la sous-région que nous appelons, POLAB, pour la lutte anti-braconnage, la lutte anti-braconnage, où il faut dégager beaucoup de moyens, où il faut la communication les véhicules sophistiqués avec des armes, avec la surveillance aérienne, tout ça là. Parce que quand vous avez eh, des grands, eh, des professionnels qui, qui, veulent abattre, comme ce qui se passe à un certain moment, je ne sais pas si vous avez entendu au Tchad avant, les gens cherchent voir et ils ont beaucoup de et ils, ils interviennent et les forestiers n'ont pas. Mais aujourd'hui, c'est un exemple. Là, hein, on voulait se lancer dans ça. Le modèle de gestion, impliquer les privés, mettre les moyens conséquents pour appuyer nos éléments. Et du coup, on est. Pour tout cela, euh, colonel Soumela Sahelou, est-ce que les ressources humaines sont euh, suffisantes Dieu merci. Nous avons eu une loi de programmation qui nous a permis de recruter assez de personnel. Aussi bien, on, a bien, on vient d'affecter d'autres au niveau du parc, d'autres au niveau du terminal. Et dans quelles conditions travaillent ces agents Les agents, aujourd'hui, ils ont quelques véhicules, mais ce n'est pas suffisant. Ils ont quelques véhicules des moins. Et je ne voulais pas vous dire les résultats qui se passent aujourd'hui au niveau de... Mais c'est insuffisant. Vraiment, c'est insuffisant. Il faut renforcer cette dynamique au niveau du fleuve, le contrôle au niveau du fleuve. Et pour vous dire, en fait, en perspective, par rapport à ces zones. C'est ce que nous voulons faire. Le ministère en charge des aires protégées est en train de prendre des mesures. Et nous avons été diligentés pour faire un état de lieu par rapport à toutes ces zones de chasse. Quand mon ami a une zone de chasse, il a des obligations. Il doit lui-même créer les conditions pour faire venir la femme. Il doit faire des aménagements. On lui a l'État lui a concédé les sites. Il doit créer les aménagements, il doit organiser les pistes, il doit organiser la surveillance pour sauvegarder tout ça là, c'est énorme. C'est lui en tant que constitutionnel. L'État a pris des mesures, lui donner le site. Il doit organiser tout pour faire revenir la Donc ça veut dire qu'un autre chasseur ne peut pas venir euh, chasser euh, dans ce domaine-là Il ne peut pas. Quand tu as une concession, c'est toi, le chasseur, qui vient, il te contacte. Et tu organises avec ton, guide de chasse dans ta zone et tu le suis, tu l'encadres. Soumel a bien parlé le problème d'encadrement et je vais revenir là-dessus. Ça, c'est comme ça. Nous, on va faire l'état de lieu de toutes les zones de chasse pour voir si toi, les concessionnaires, arrivent à suivre leur cahier de charge. On va faire l'évaluation. On va savoir s'ils ont fait le plan d'aménagement et de gestion. S'ils ont, tel qu'ils ont prévu de faire les avions, ils l'ont fait. Et faire l'état de lieu, ça veut dire que chaque fois, il faut qu'eux, ils viennent appeler les forestiers pour les aider, non seulement à faire les inventaires, pour savoir s'ils ont un potentiel si tu n'as pas de potentiel, ce n'est pas la peine d'amener un chasseur pour chasser. Les conditions de la chasse, il faut le rappeler, chaque année, normalement, nous, on devrait établir un quota pour chaque zone de chasse. Pour dire, zone de telle zone, voilà ce qu'on peut chasser. Voilà le potentiel, voilà ce qu'on peut chasser. Colonel Adamou Tunao euh, Mamalawali, euh, dans quel état euh, vivent les animaux sauvages aujourd'hui merci Mokhtar. Parce que nous avons connu euh, une accélération poussée de la désertification. Par rapport vraiment aux conditions, et je ne vous cache rien, c'est qu'aujourd'hui, la faune sauvage, surtout celle qui se trouve dans les zones synergétiques, c'est-à-dire les zones qui sont appelées à être chassées, vraiment elle vit très mal. Donc c'est soit, il y a Sommel qui a, parlé, donc c'est soit l'insécurité, donc il y, a, deux transitions de rébellion donc on ont, fait en sorte que vraiment même l'habitat s'est dégradé. Donc euh, même si l'État a besoin d'aménager, mais avec, euh, avec la situation de sécurité, il ne peut pas. Donc, il y a aussi la poussée et des de la donc euh, l'avancée du désert a fait en sorte que l'habitat là où se trouve la, faune donc s'est dégradé. Hein. Il y a aussi le changement climatique. Donc le changement climatique aussi a mis vraiment et a, ouvert donc euh, l'habitat de, la faune. Donc euh, l'habitat de la faune là aujourd'hui vraiment elle est elle est ouverte donc euh, elle a vraiment pas d'habitat donc actuellement. Mais des efforts sont en train d'être pris pour pouvoir un peu aménager. Donc, surtout, donc, je reviens sur ce que M. le directeur a dit. Donc, dans les concessions de chasse, là où donc, elles sont actives, donc, euh, avant d'avoir, avant que le ministre donc, euh, te charge, il faut que tu acceptes donc, euh, à remplir certaines conditions. Donc, il y a un plan d'aménagement. Ces zones-là, chaque zone a un plan d'aménagement. C'est-à-dire pour permettre à la faune de se, de se reproduire. Donc, et dedans, on a tiré quelques articles pour le mettre dans le cahier de charge. Donc, une fois que la, chasse est finie et fermée, donc, il y a certains et aménagement que vous, vous devrez faire en tant que concessionnaire pour permettre à, la, faune de, réinstaller. Si l'habitat est dégradé, donc vous faites en sorte que pour un peu aménager, alléger, pour permettre à la faune qui reste au moins de se, reproduire. Donc voilà comment la faune est actuellement. Alors, Abdelaziz Taya, comment expliquer l'incivisme dont vous parlez tantôt euh, de certains acteurs et l'impunité ambiante euh, dans ce secteur de la chasse au Niger eh, merci, Monsieur eh, Mokhtar. Eh, avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter un certain nombre d'éclaircissements, un certain nombre de précisions par rapport à un certain nombre de choses qu'on s'est dit ici. D'abord, un chasseur, c'est pas l'image qu'on lui donne, qu'on lui conne qu'il est un braconnier, hein. Le vrai chasseur, c'est un vrai gestionnaire. Il gère bien sa faune parce que c'est une activité qui va régénérer des revenus. Donc, vous êtes obligé de bien gérer cette forme-là. si vous prétendez vendre le produit ailleurs. Ça, c'est un autre point. Mais actuellement, ce que nous voyons, la pratique de la chasse au Niger, ce n'est pas de la chasse qu'on fait. Le Niger, c'est un pays de chasse. Il y a certaines villes, c'est des chasseurs qui les ont créées. Retournez revoir votre histoire. Niamey, Zende, Maradi, certaines de nos capitales. C'est des chasseurs qui se sont installés. Parce qu'il y a l'abondance de gibier. Il y a la faune, il y a de quoi chasser. Mais ces chasseurs-là, c'est des chasseurs vraiment qui gèrent la faune. Ils ne sont pas là pour faire du braconnage, comme on le dit. Parce que le braconnage, le braconnier ne se soucie pas de gérer. Son objectif, c'est faire le maximum de dégâts et avoir le maximum de profil pour aller. C'est ça la différence. Moi, là où je suis, je parle en tant que chasseur. Parce que j'ai l'éthique de la chasse. La chasse a des principes. Un concessionnaire, c'est quelqu'un qui doit respecter un certain nombre d'engagements. Parce qu'il y a un cahier des charges ici. Parce qu'il y en a qui se disent concessionnaires des zones. Mais ils ne connaissent même pas c'est quoi le mot concessionnaire. A plus forte de faire respecter le cahier des charges qui est là. Ça, c'est Maintenant, je, viens, je vais revenir à votre question. par rapport à votre question, j'ai dit la chasse, les difficultés qu'on a, c'est au niveau de l'application des, textes. Parce que la chasse n'est pas organisée au Niger. Il y a une amalgame qui a entre chasseurs et je chasse. Moi, je connais Niamey dans les années 80. C'est ici à l'université. On trouve certaines espèces. On partait chasser sous les collines. On partait à Bougoun pour faire certaines mammifères. Mais aujourd'hui, il faut parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir prétendre avoir une pentade sauvage. Et dans quelles conditions Soumaïla Marfandou, comment faire euh, pour euh, redynamiser euh, ce secteur vital pour l'économie nigérienne Voilà, c'est que j'ai dit au niveau de la chasse. Il y, a plusieurs objectifs qui sont visés. Le premier objectif, c'est de lutter contre le braconnage. Le second objectif, c'est au niveau économique. Et le troisième, au niveau de l'emploi. Si je vous prends j'ai un petit document que j'ai avec moi, mais ça date, c'est vrai, de 2002-2003. Et les ressources engagées par la chasse étaient à peu près de 129 millions. Et sur ce 129 millions, les 190 millions de Français CFA venaient des étrangers qui étaient venus chasser au Niger. C'est pourquoi je vous dis que l'aspect le plus important sur lequel on doit s'atteler, c'est vraiment en ce qui nous concerne le tourisme synergétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait qu'on organise cette pratique-là pour chercher la clientèle, la clientèle de chasse. Il y a beaucoup de, clients aujourd'hui en Europe qui veulent venir ici, mais parfois n'ont pas la bonne information. Donc, euh, on devait faire une promotion de la chasse pendant la période d'ouverture faire une promotion de la chasse pour que qu'on puisse avoir des, retombées économiques par rapport à cette chasse-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, zones, comme Aziz l'a dit, qui a un problème d'organisation au niveau des concessionnaires, au niveau de, des guides même. Lui-même, c'est un guide euh, touristique. Au niveau des guides même, il y a parfois des problèmes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait organiser tout cet aspect pour qu'on puisse voir d'abord clair et pour qu'ils puissent avoir des retombées. Vous avez vu un moment, ce a parlé de, du, du, parc du boulevard, de la zone du. Eh, comment on appelle ça Où nichent les oiseaux, là, vers euh, Bosso, là. Donc, ça, et eh, un moment, il y avait beaucoup de braconnage. Mais le tourisme a fait que ce braconnage avait beaucoup cessé. On amenait des touristes, on utilisait des anciens braconniers comme guide touristique et le braconnage a beaucoup baissé. Donc c'est la même chose pour, le, pour, pour la chasse. Il faudrait identifier et être en collaboration avec les populations locales, les impliquer dans toute l'organisation de la chaîne de la chasse pour que d'abord cesse le braconnage, deuxièmement qu'il y ait des retombées économiques et troisièmement pour que il y ait de l'emploi pour la population locale. Au cas contraire, les mêmes euh, causes provoquent les mêmes effets. C'est le balconnage qui va reprendre. Colonel euh, Soumaïla Sahelou, rapidement en 15 euh, secondes. Merci. En fait, je voulais très rapidement vous expliquer les perspectives envisagées par le ministère de l'Environnement pour asseoir les bases d'une gestion durable de nos ressources phoniques. Premièrement, nous pensons réviser la loi qui régisse le régime de la chasse. Ça, c'est important, nous avons mis dans le circuit. Deuxièmement, c'est eh, eh, d'ouvrir, de penser à ouvrir deux zones de la grande chasse eh, dans le secteur du parc W, au même titre que nos pays qui exploitent des ressources phoniques, notamment la grande. Et troisièmement, nous sommes en train de faire l'état de lieu des concessions pour voir les concessionnaires s'ils respectent leur cahier des charges et des mesures conséquentes seront prises. Voilà, en conclusion, il faut retenir que malgré les potentialités dont regorge le Niger en matière de la chasse, toutes les parties reconnaissent des réelles difficultés dans le secteur exhorte par conséquent le gouvernement à mieux s'intéresser à ce secteur aujourd'hui gravement menacé. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, colonel euh, Soumel Sahelou, directeur de la faune, euh, de la chasse, des parcs et les réserves au ministère de l'Environnement. Adamu Tinaou Mohammalawali, Lawali, chef de division de la chasse au ministère de l'Environnement. En ligne, nous étions avec euh, Soumaïla Morfandou, directeur régional du tourisme de Tilaberi et Abdelaziz Taya, secrétaire général de l'Association des chasseurs et guides de chasse. Merci à nos invités et merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.